Euh, li ma incité euh, ma bind ci euh, Bassirou Diomaye Faye qui est vraiment notre président on va dire président Bassirou Diomaye Faye son excellence Ce ma gën inspiré c'est la marche des choses euh, un mois avant euh, qu'il a commencé bind euh, mais bi may bind maa ngi la rek simplement sur son parcours parce que dama amoon rek yaakaar ni mon moom boo matul mooy nekk président parce que gis acharnement bi ñuy am ci parti, loolu rek day wane ni gaa ñi de ñu sondage xam ni irrémédiablement Euh, Pastef mooy nekk euh, ci bopp léegi nag man loolu sama intuition jox ma ma ni nag naa préparé fekk boobu maa ngi doon préparé euh, beneen livre ci Ousmane Sonko mais livre boobu presque bind naa ko ba pare mais dama ko dama ko mettre en stand-by waaw voilà donc léegi nag ci laa gën a concentré wu ci voilà le président euh, Bassirou Diomaye Faye euh, mais qui ma motivé motiver parcours comme développement personnel je vraiment pour le génie. exemple pour moi euh, mu développement personnel dafa incarné la détermination la résilience, le courage, euh, l'abnégation, hein, donc euh, la résistance. Donc, y a des valeurs qui xam euh, à la jeunesse.